Chers frères et sœurs, euh, bonsoir et ravi de vous retrouver de nouveau sur cet espace euh, Femmes en Islam. Comme chaque euh, semaine, nous essayerons de vous édifier sur un thème qui a lien avec la femme. Le thème du jour porte sur la pudeur en Islam. Pour en parler, comme chaque semaine, nous sommes avec Oustaza Halima. Assalamu alaikum Alaikum Pour rappel, le thème du jour porte sur la pudeur en islam. Mais avant de rentrer dans le vif euh, du sujet, malheureusement, aujourd'hui, on constate que la pudeur est, on constate que la pudeur est devenue obsolète euh, au point, au point d'être répertoriée comme un défaut. Alors, quelle est la signification de la pudeur en islam الحمد لله الذي وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اما بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شرف رئيس الوزراء الاسلام شرف ستيل سبكتاتور زينب permettez-nous d'abord de présenter tous nos vœux de meilleures fêtes à nos téléspectateurs, de prier à Allah subhanahu wa qu'il accepte toutes nos adorations, nos prières, nos jeûnes, nos invocations et qui ont été faites donc pendant le mois de Ramadan. Que Qu'Allah nous pardonne nos péchés, que qu'Allah nous fasse parvenir à la félicité. Donc, euh, pour revenir au thème d'aujourd'hui, qui porte sur la pudeur. D'abord, en ce qui concerne la définition de la pudeur, notons que la pudeur, c'est tout ce qui empêche à l'être humain euh, de tomber dans les actes répréhensibles, dans des actes qui sont blâmables. C'est cette gêne qui ressent l'être humain à commettre un acte qui porte atteinte à sa dignité. La pudeur est quelque chose qui est conseillé en islam. Et la pudeur, elle nous préserve de beaucoup de, de péché. Il y a plusieurs sortes de pudeur. Il y a la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste à sentir une gêne de commettre un péché. Parce que nous savons que Allah subhanahu nous a interdit de faire ce, ce, cet acte qui est un péché. Et puis Allah il a la surveillance en tout. Il y a aussi la pudeur envers donc, les êtres humains. Pour revenir toujours sur la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala, amener ici l'histoire d'un prédécesseur. Il est parti trouver son maître. Il dit, je vais m'abstenir de commettre un péché, mais je n'y arrive pas. Il dit, il commet le péché. Donc, il demande maintenant à son maître comment il va faire. Et ce maître lui dit, D'accord, tu ne peux pas t'abstenir de commettre le péché. Il dit dans ce cas, commets-le là où Allah ne te voit pas. Il dit, mais, maître, où est-ce que je peux me cacher pour commettre un péché qu'Allah ne puisse pas me voir Vous voyez, donc cet élève, il sait très bien que Allah il est al-basir, il voit tout. Il est al-khabir, c'est lui qui va nous raconter tout ce qu'on a fait. Il est as il entend tout il sait qu'il ne peut pas se perdre à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le surveillant par excellence. N'importe où, où il part pour commettre le péché, il sait que Allah le voit. Il dit, mais je ne peux pas me cacher pour commettre un péché là où Dieu ne me voit pas. Le maître lui dit, dans ce cas, si tu ne peux pas te cacher pour commettre un péché là où Allah ne voit pas, il faut t'en abstenir. Parce que Dieu, il te voit et tu seras jugé sur ça. Il dit sinon, va commettre le péché sur une terre qui n'est pas la terre de subhanahu Et l'élève lui dit, où est-ce que je peux trouver une terre qui n'est pas une terre qui appartient à Dieu Partout où je vais aller faire, c'est sa terre. Il dit, et n'as-tu pas honte de commettre un péché sur la terre de Dieu alors qu'il t'a interdit de commettre cet acte Allahu Akbar. Donc l'histoire, elle est un peu longue, mais nous allons nous attarder sur ça. C'est ça la pudeur au fait envers Allah C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, fais en sorte que ça ne soit pas quelque chose de blâmable. Ça ne soit pas quelque chose qu'Allah t'a interdit de commettre. Et maintenant, concernant la pudeur envers les, les êtres humains, là, ça prend plusieurs aspects. Que ça soit dans la démarche. On veut qu'un musulman soit pudique. Que ça soit dans la parole. On aimerait qu'un musulman soit pudique que ce soit dans les aspects vestimentaires, il faut qu'on soit pudique. Dans tout, tout, tout, toute notre conduite quotidienne, vraiment, on aimerait que nous soyons pudiques. Alors, euh, Staza, d'après tout ce que vous venez d'avancer, quelle est l'importance euh, de la pudeur en islam Ok, avant d'en arriver à l'importance de la pudeur en islam, j'aimerais aussi qu'on clarifie une autre partie des choses qu'on considère comme pudeur, alors que ce n'est pas de la pudeur. Par exemple, la, timidité maladie, on peut pudeur, comme ça. Il y a des gens qui sont trop timides. Or, la timidité, ce n'est pas synonyme de pudeur. Oui, ce n'est pas synonyme de pudeur. Et pour preuve, j'aimerais aussi ici raconter l'histoire d'Ibn Omar. Je crois que ça doit être Abdullah Ibn Omar. Il était en assise avec les grands, il était petit avec les sages, les, les, personnes âgées. Et il y a un homme âgé qui a posé une question. Il voulait savoir quel est l'arbre dont les feuilles ne tombent jamais. Il faut qu'on les arrache. Il a posé la question, toutes les personnes âgées, âgées sont en train de tenter de répondre Elles n'ont pas pu trouver l'arbre. Et c'est lorsqu'ils ont quitté l'assise que le petit dit à Omar bin Khattab, donc à son papa, il dit, papa, je connaissais la réponse. C'était le Dachi. Et le père lui dit, pourquoi tu n'as pas donné la réponse à Il dit, non, parce que je suis, le, je suis très jeune. Donc il l'a senti, oui, il ne voulait pas parler parmi les grands, pour lui, comme si c'était mal vu, quoi. Et le père lui dit, mais là, j'allais être plus fier de toi, parce que tu aurais donné la bonne réponse et j'allais être fier de toi. Vous voyez Donc, il y a des endroits où la timidité, elle n'est même pas bonne en islam. Il y a aussi l'exemple des femmes de Médine. Pour comprendre leur religion, c'est des femmes très pudiques, c'est des femmes savantes, mais ces femmes, pour mieux comprendre leur religion, elles venaient interviewer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Aisha radiallahu anha à propos de beaucoup de questions qui touchent eh, un aspect euh, de, l'intimité de la femme, par exemple la vie conjugale, par exemple euh, le lavage euh, spirituel, par exemple les logis, les règles, tout ça, là, vous voyez, c'est des thèmes euh, un peu sensibles, mais elles n'ont pas honte de venir demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam donc des questions relatives à ces thèmes afin de mieux connaître leur religion. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a fait un témoignage de satisfaction en disant qu'elles sont heureuses quoi. Les femmes de Médine, il a apprécié leur comportement, qui, donc malgré leur pudeur, ces femmes, leur pudeur ne les empêche pas donc de eh, demander sur leur, leur religion, d'avoir donc et, eh, des éclaircissements sur tout ce qui concerne leur religion. Donc, la, pudeur, la pudeur n'est pas synonyme de timidité. Il faut qu'on comprenne. La pudeur, c'est un comportement une jeune corrissant pour ne pas tomber dans les actes qui sont blâmables. Maintenant, pour revenir à, à votre deuxième question, l'importance donc euh, de, de, la pudeur en islam. La pudeur, c'est quelque chose qui, qui, est apprécié par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il a, il a dit dans le Coran, dans Surat An-Nur, je crois, là où il dit كل المؤمن كل المؤمنون يغدون أبصارهم يغدو أبصارهم ويحفظوا فروجهم دي أو croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté c'est ce qui est pur c'est ce qui est meilleur pour eux c'est ce qui est pur pour eux إن الله خبير بما يصنعون certes Allah est parfaitement connaisseur de ce que qu'ils sont en train de faire. Vous voyez Donc Dieu même, il l'a appelé à la pudeur. Aussi dans un verset, dans Surat al-Qasas, je crois, dans la kissa de, du prophète Moussa alayhi salam, là où Allah subhanahu wa amené le récit des deux filles que Nabi Moussa avait trouvées euh, au bord du puits. Ces filles étaient rangées de l'autre côté. Or, il y a des hommes ici qui sont en train de puiser de l'eau. Ça frappe à l'œil. Il n'y a que des hommes. Il y a deux filles qui sont là-bas, assises de côté. Et le prophète Moussa, salam, il s'est rapproché de ces deux filles, il les a saluées et il les a dit, qu'est-ce que vous faites ici Elles ont dit, nous sommes venus pour abréver nos animaux. Notre père, c'est un... Et Cheikh comment on dit C'est un vieux. C'est-à-dire, il est, il est trop vieux. Il ne peut pas venir puiser l'eau lui-même. Donc on est venu pour abreuver les animaux. Mais comme il y a des hommes qui sont sur le puits, nous attendons jusqu'à ce que ces hommes finissent de puiser et nous allons aller puiser pour abreuver les animaux. Et Anem Moussa, salam, il est venu, il a puisé l'eau, il a abreuvé les animaux. Les filles étaient rentrées très tôt à la maison. Leur père leur a demandé qu'est-ce qui les a retenues et elles ont expliqué au père et leur père leur a dit allez appeler ce jeune homme. Et lorsque ces filles étaient venues pour appeler le prophète euh, Moussa, salam, en marchant maintenant, Dieu a amené la démarche de la fille. Tamchi al Elle marchait avec pudeur. Vous voyez C'est-à-dire dans le Coran, tout détail que subhanahu wa amène, il mérite toute notre attention. Ça, c'est pas fortuit. Le fait qu'elle marche avec pudeur jusqu'à ce que Allah subhanahu wa a détaillé comment cette fille marchait lorsqu'elle était venue appeler le prophète Moussa alayhi Dans cette question nous avons beaucoup d'exemples de leçons de morale à tirer. La première pudeur, les filles n'étaient pas prêtes à venir se mélanger aux hommes sur le puits. Vous voyez Et elles ont donné cette explication à Nabi Moussa Contrairement à ce qu'on observe de nos jours, ça c'est devenu rien de nos jours. Et la deuxième leçon, vous voyez, lorsqu'elles sont sorties, elles ont dit pourquoi elles sont venues au pays. Parce que leur père, il est trop âgé. Donc aujourd'hui, même si un travail qui est plus euh, reconnu aux hommes ou un travail qui est plus reconnu aux femmes, quand il y a la nécessité, un enfant ne doit pas rester à la maison dire parce que je suis fille, il faut que mon père sorte pour aller faire ceci, alors que lui, il est vieux, il n'a même pas de force. Par exemple, vous allez voir ceux qui ont des filles à la maison, les filles vont dire ah laver la voiture c'est le travail de garçon. Le jour où le garçon est occupé, la fille ne peut pas laver la voiture. Or c'est pas ça, la fille peut bien laver la voiture de son père ou de sa maman. Vous voyez, qu'Allah nous fasse comprendre. Donc cette pudeur avec laquelle cette fille marchait, Allah subhanahu a voulu nous amener ça dans le Coran pour que ça nous interpelle. Tout ça là, ça nous montre l'importance de la pudeur en islam. Aussi quand on fait les récits du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths, le prophète alayhi dit, disait Chaque religion a une éthique. Et l'éthique de l'islam, c'est la pudeur. C'est-à-dire, un musulman qui n'est pas pudique n'est pas un bon musulman. Et dans un autre hadith, il le dit il dit, si tu n'es pas pudique, il faut faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas honte de commettre un péché ou un comportement, ne soit pas surpris de tout acte que cette personne-là va poser. Tout ce qu'elle va poser comme acte, ça lui convient. Ça va, en aller. Pourquoi Parce que cette personne n'est pas pudique. Dans un autre hadith encore, le prophète alayhi wa disait que la foi et la pudeur sont ensemble. Elles sont comme donc des oreilles de, euh, de cheval. Elles sont ensemble. Quand l'une quitte, l'autre aussi quitte. Pour qu'une personne commette un péché grave, par exemple la fornication, il faut d'abord qu'on lui enlève la pudeur. Et il faut qu'on lui enlève la foi. Quelqu'un qui a la foi ne peut pas donc commettre certains actes que nous voyons aujourd'hui. Les gens sont en train de commettre au Yazbillah, qu'Allah nous en préserve. Mm. Donc, la pudeur a tout son sens dans euh, la religion, elle a toute son importance en islam. Quand nous prenons aussi, il y a un pieu prédécesseur qu'on appelle Al-Fudel ibn Yad, Il dit que cinq choses concourent au mauvais destin, à un mauvais destin, un destin malheureux. Parmi ces choses, il y a le manque de pudeur. Parmi ces choses, il y a la dureté du cœur. Il a cité, cité cinq choses, mais au moins ces deux-là, je les ai retenues. La dureté du cœur il y a aussi le manque de pudeur. C'est ça qui nous intéresse ici. Donc le manque de pudeur, ça fait que la personne court un destin malheureux. C'est quelque chose donc qui peut te causer ta destruction ici-bas et dans l'au-delà. Allah nous en préserve. préserve. Donc vraiment la pudeur, elle a toute son importance en islam. Elle a toute son importance aussi, surtout chez nous les femmes. Pour revenir à quels sont les différents facteurs euh, qui engendrent le manque de pudeur euh, dans notre société Le manque de facteurs qui engendrent les, le manque de pudeur de notre société, ils sont multiples. D'abord, nous avons fait un retour en arrière. Un retour en arrière parce que quand nous prenons nous parlons de, pudeur, nous avons dit que ça regroupe, beaucoup d'aspects, que ce soit l'aspect vestimentaire, l'aspect euh, sur le langage, que ce soit euh, la démarche, beaucoup de choses quand même. Quand nous prenons par exemple l'aspect vestimentaire, avant, quand nous remontons dans la période théocratique, de la période de l'Antiquité, presque toutes les personnes, les hommes par exemple, ils sont habillés en des tenues amples, modestes couvrent vraiment leur corps Et ample. Ça n'a jamais dérangé personne. Les femmes, elles se voilaient. Elles portaient aussi des tenues très amples. Et les femmes, quelle qu'en soit leur provenance, elles avaient des voiles qu'elles mettaient. Soit elles couvraient toute la tête ou bien elles mettaient juste une partie des cheveux. Les gens étaient bien habillés pendant plus d'un millénaire. Ça n'a jamais dérangé personne. Aujourd'hui, c'est la modernité qui est en train de donner un nouveau type de personne, un nouveau type d'habillement, dont on appelle tous les gens, euh, on en fait une exigence pour tous les gens. Est-ce que vous comprenez C'est ce que les Hausa disent Zamani. Zamani. Voilà, entre griffes. Or, Zamani, ce n'est pas n'importe quel Zamani qui marche, qui peut euh, changer le musulman. Zamani, quand il vient la modernité, quand elle amène ces choses, quand ça concorde avec la, religion, il n'y a aucun problème. Le musulman, il s'enroule. Mais quand c'est quelque chose qui est contre la religion, donc il n'est pas le bienvenu chez le musulman. Et parfois, je me pose toujours cette question. Regardez durant l'Antiquité, les gens se voilaient, se couvraient. Aujourd'hui, presque toutes les statues de Marie que vous allez voir dans les églises ou ailleurs, vous allez voir qu'elles portent un voile. Ça n'a jamais dérangé personne. Mais aujourd'hui, qu'on veut que les femmes se dévoilent, qu'on veut que les femmes sortent nues, aujourd'hui, le voile de la femme dérange tellement de la femme musulmane, dérange tellement dans certaines sociétés. Il y a des journées de nudité. Vous allez partir ailleurs en Occident, vous allez voir, il y a des gens, des journées de nudité, les gens sortent comme ça dans la rue, ça rien. Ça ne dérange personne. Personne. Mais c'est quand on voit une femme voilée, subhanallah, et là, elle dérange tout le monde. Allah nous conforme à ce qu'il aime et agrée. fasse en sorte que nous ouvrons les yeux et que nous observons jusqu'à où cette modernité est en train de causer notre perdition. Donc, toujours concernant euh, l'importance de la pudeur, vous voyez que aujourd'hui qu'il n'y a plus cette pudeur. Regardez comment nos sociétés sont devenues. Imaginez un peu, regardez le problème dans lequel nous sommes en train de vivre. Et tout ça, là, c'est par manque de pudeur. La manque de pudeur, comme le dit le professeur, si tu n'es pas pudique, fais tout ce que tu veux. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas la pudeur, tout ce que l'être humain, tout ce qui est mal, l'être humain qui n'est pas il peut le commettre. Sur tous ces aspects. Cette semaine, nous avons assisté à un assassinat d'un enseignant par un élève. Vous croyez que tous ces terroristes-là, sont, euh, ces, ces criminels-là, s'ils sont pudiques, ils auront honte à ce qu'on dise qu'un tel a posé un acte. Ils auront du gêne à tomber dans certains et avant, c'était ce qui a préservé beaucoup notre société. Mais aujourd'hui, on ne reconnaît plus l'homme âgé ou la femme âgée, on ne reconnaît plus le mineur, on ne reconnaît plus. Subhanallah, les mots nous ont euh, encerclés de partout. Or, certaines choses, c'est par manque de pudeur que vous c'est par pudeur que l'être humain va s'abstenir de le commettre. Parmi toujours les choses qui nous ont retiré la pudeur en dehors de la modernité, bon, c'est toujours la modernité avec tous ses aspects euh, négatifs, il y a les mass médias, la télévision, l'Internet. Regardez un peu la télévision avant, le programme d'avant est différent de celui qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment euh, donner des stéréotypes des personnes qu'ils veulent produire. produire. Avant, quand vous prenez même les feuilletons, nous on était enfants, il y avait des feuilletons de Inzawara, Mademoiselle qu'on passait. Qu'on regarde en famille. En famille, ça ne gênait personne, il n'y a rien de, de perversité dedans. Mais aujourd'hui, même si c'est du passage, tu rentres chez quelqu'un qui regarde feuilleton, là, tu vas voir quelque chose qu'on ne veut pas, que l'islam ne veut pas, plus de combien de fois avant que tu te lèves. Et vous, vous allez voir que c'est toute la famille, la mère, parfois le père et les enfants, tout le monde est autour de la télévision. Parfois, c'est ceux qui sont un peu pudiques qui vont dire enlever quand on, arrive, euh, on, projette une image qui n'est pas bonne. Tout ça, là, ça a des effets négatifs. Et le produit, on est en train de le voir dans notre société. Parce qu'à un moment donné, Hollywood ne, ne, produisait pas de films dans lequel il n'y a pas la criminalité ou la sexualité. Quelle qu'en soit, qu'en soit euh, l'idée que vous développez dans votre film, quand il n'y a pas ces deux aspects, Hollywood ne le produit pas. Et ils savent ce qu'ils veulent dans l'avenir. Et aujourd'hui, on est là. C'est la criminalité, c'est le banditisme, c'est la violence partout, c'est la perversité, la sexualité partout. Au début, ça tiquait les gens. Aujourd'hui, ça ne dit rien. Les dessins animés qu'on regardait avant. tout le monde regarde et Tout le monde regarde. Avant, personne ne dit rien. Personne ne dit rien. Il n'y a rien pour agir. On ne fait que consommer. Tout ce qui nous veulent, on ne fait que consommer. Et malheureusement, ça a créé la perte. Partout aujourd'hui, partout dans le monde entier, on voit vraiment la violence qui se développe. Les dessins animés d'avant, on va faire un dessin animé jusqu'à finir, tu ne vas même pas avoir là où on va se donner bis. Contrairement. Contrairement aujourd'hui, ça commence, on va montrer elle la et une lapine s'embrasser. Déjà, on est en train de mettre quelque chose dans la tête de nos enfants. Quand je prends notre société, ici, nous les Africains, et c'est comme ça qu'on va retirer, retirer petit à petit toute cette pudeur dans les yeux de nos enfants. Et finalement, l'enfant, ça lui dit rien. Quand il voit ça, lui dit rien aussi de commettre parce que pour lui, c'est comme ça. Quand nous prenons aussi toujours les, portables, subhanallah, il y a quelque chose qui, qui fait mal, qui blesse le cœur. Jusqu'à parfois aujourd'hui, on, on atteint un niveau où quand tu veux même un modèle de couture, tu rentres dans, je sais pas, TikTok ou dans, dans une application quelconque. Partout, tu vas voir des femmes mariées en train de danser. On ne peut pas présenter quelque chose sans musique, sans danser. Imaginez là où on est atteint. Et aujourd'hui, toujours concernant les masses médias, aujourd'hui, ça, ça nous a vraiment retiré la pudeur des yeux. Tu vas voir parfois, c'est une femme même qui se voile. Ici au Niger ou au Nigeria, par exemple, où nous, avons, nous accordons trop d'importance au voile, à notre religion, vous allez voir une femme qui se voile, parfois elle va prendre une photo sans voile, elle va la poster sur son statut. Oui, à cause d'un mariage ou je sais pas, de la fête, quelque chose comme ça, elle va <laughs> comme ça. Oui, elle va projeter, elle va poster ça sur son statut et tout le monde va la voir. Demain, tu vas mettre jambes là, on va te voir nu. Parce que tout le monde t'a vu sans ta couverture, sans ton voile. Tout ça, là, c'est des pistes sataniques qui sont en train donc de nous distraire et de nous éloigner de cette éthique religieuse qui est la pudeur. Il y a aussi nos programmes scolaires. Je suis vraiment désolée, nos programmes scolaires ne, ne compatissent pas avec nos réalités sociales, culturelles et religieuses. Il y a un grand fossé Imaginez, à l'âge où les enfants doivent être, euh, doivent être soutenus jusqu'à traverser cette période d'adolescence, c'est en ce moment qu'on va vous amener tout le programme de la 4e. J'invite tous ceux qui veulent aller regarder, consulter ces programmes-là scolaires et vous allez voir ce qu'il y a dedans. Avant, quand je vous prenais EF, c'était juste les filles entre elles avec leur maîtresse. Aujourd'hui, c'est les filles et les garçons. Et il y a des chapitres où, subhanallah, au moment où l'enfant est dans sa crise d'adolescence, Et pire encore, même les, petits mythes qu'on racontait aux filles avant, à l'âge d'adolescence, pour qu'elles puissent au moins préserver leur chasteté jusqu'à ce qu'elles finissent de traverser cette dure épreuve période plutôt, aujourd'hui dans les programmes scolaires, on dit que tous ces mythes-là, c'est des mythes, c'est faux. Mais où est-ce que nous allons Quel genre de, citoyens on veut former Avant, nous savons tout, ce que... Avant, il n'y a pas même que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, toutes les religions du monde, vraiment, invitent les gens à, à préserver leur chasteté. Et la preuve jusqu'à aujourd'hui, mission filles et mission garçons sont séparées. Ce ne sont pas des écoles euh, musulmanes, mais c'est séparé. Parce que toute religion prend cette euh, distinction entre les sexes. Jusqu'à présent, elles sont séparées. Ici, au collège Mariama, collège il n'y a que des filles. Tout ça là pour préserver un peu la chasteté des filles. Parce une société qui se pervertit, une société dans laquelle l'adultère est, je ne sais pas, elle s'est propagée. Mais ceux qui vont en suivre là, les gens vont pleurer fatigués. Est-ce qu'on peut encadrer les enfants de leur bas âge sur la pudeur Oui, on peut encadrer. Nous tous, j'en suis certaine que toute la génération de, de 80 jusqu'à 90 là, les ont étaient encadrés. Et en ce moment, l'environnement du dehors même était favorable. On encadre très bien la fille et le garçon aussi pour qu'il puisse être pudique. Vous allez voir le garçon à partir de 6, 5, 7 ans. Déjà, on, on te montre que tu ne dois pas te, tu ne dois pas sortir nu en public. Et tu vas voir parfois, même si l'enfant finit ses, fini de se décharger. Donc, pour le laver, quand il y a un, étranger, il va dire Ah, de ne pas le laver ici, de l'amener jusqu'à là-bas pour le laver. Oui. Vous voyez Et ça, on enseigne déjà donc à l'enfant la pudeur. Il va savoir qu'il ne doit pas sortir nu. À la fille aussi, c'est pareil. Même la manière de se coucher, moi, je me rappelais très bien nos mamans quand elles les bénissent. Ils vont faire plusieurs tours dans notre chambre pour voir comment les filles se couchent. Même la manière de te coucher, on va te montrer telle manière de se coucher. Ce n'est pas pour une fille. Voilà comment une fille doit se coucher. La manière de s'asseoir, tout ça là, c'est des petits gestes, mais c'est des gestes qui nous enseignent à être pudiques. On te montre une fille ne doit pas manger dehors. Aujourd'hui, pas l'eau fraîche. Hein. Même canne à sucre là tu vas voir une fille ou une femme mariée en train de marcher dans la rue et de croquer très bien sa canne à sucre, ça ne dit rien. Alors qu'avant, on te montre une fille doit être pudique, elle ne doit pas manger au dehors. Elle doit préserver sa chasteté. Quand il y a mariage, vous voyez avant comment ça se passait. Les filles même étaient pudiques et le mariage était très beau. Contrairement au mariage d'aujourd'hui. La jeune mariée fait mais quoi? toute la journée, tu es là à faire des selfies jusqu'à sortir dehors, faire selfie avec n'importe qui. Ce qu'on connaît de la mariée d'avant aujourd'hui, ça s'est perdu. On vient encore le soir de noces, c'est autre chose. Jusqu'à ce qu'on dise ici au Niger, dans un pays à 99% musulman, un pays conservateur de ses valeurs culturelles et sociales, parce que moi, je connais des gens qui ne sont pas musulmans, mais le fait qu'ils soient nigériens, ils ont vraiment un intérêt pour nos valeurs culturelles et sociales. Mais on dit que c'est ici au Niger, on fait des, je sais quoi, d'enterrement de, jeunes filles. Comment on appelle de de mm. jeunes filles. Enterrement, très bien. Enterrement de, de vie de jeunes filles. Quel intérêt Et on veut que les mariages soient bénis. Ils ne peuvent pas être bénis. C'est pourquoi aujourd'hui, les femmes pleurent dans leur foyer. Et les divorces, on en calcule jusqu'à fatiguer. On en compte jusqu'à fatiguer. Pourquoi Parce que déjà depuis la cérémonie du mariage, depuis avant même la cérémonie du mariage, Dieu a ôté sa baraka dedans. Le mariage ne peut pas être béni. Tu as péché pendant la, la, la, période de, de, fiançailles. Tu as péché le jour de ton, de ton mariage. Tu as péché la nuit du noce Finalement, il y a certaines filles qui n'ont même pas de prière toute la journée. Elles vont aller mettre les ongles là avec des cols. Tu fais abolition, Dieu n'accepte pas. Tu mets fossiles avec des cols, tu fais abolition, Dieu n'accepte pas. Imaginez le danger que notre société est en train d'encourir. Et on vient encore, on sape la fille. Moi, la robe de jeune mariée, je ne sais même pas là où ils ont trouvé ça. Oui, parce que ça ne fait pas partie de nos réalités culturelles. Ça ne fait pas partie. Chaque peuple se respecte. Chaque peuple se respecte et essaye de conserver quelque chose. Prenez les Indiens, les Chinois. Regardez, ils essaient toujours de conserver jalousement quelque chose qui est pour eux. Mais nous, hmm, tous ceux qui viennent là, ça va nous amener. On s'en fout, on fait seulement. On dit que c'est de la mode. On dit que c'est de la mode, mais une mode qui nous pervertit, une mode sans résultat. Bon sang, quand quelque chose vient, prenons le meilleur, avançons avec ce qui est mauvais, là, laissons-le. Et aujourd'hui, c'est tous ces facteurs qui ont concouru vraiment à, à, nous faire perdre notre, euh, comment on appelle ça, euh, la pudeur qu'on voyait avant dans nos sociétés. Aujourd'hui, le problème en est que même quand tu veux bien enseigner ton enfant, arriver au collège, là, il faut bien serrer ta ceinture. Parce que les défis deviennent énormes. L'école, euh, elle ne fait qu'instruire. Elle n'éduque pas. Et le Nigérien, malheureusement, quand on lui donne le programme, rares sont ceux qui essayent de trier et de savoir comment vraiment aller avec Hikima euh, pour transmettre. Avec Hikima pour transmettre. Parce qu'il y a certaines choses vraiment, le blanc amène son argent, on a pris, on a mangé, on a mis dans le système scolaire. Mais toi, l'enseignant, quand tu transmets, il faut aller avec modération, suivre l'âge de la personne. Cette éducation sexuelle, nous avons vu même en France, même en France, même en Occident, ils ont contesté ça à un moment donné, le fait qu'on enseigne ça dans, dans le primaire. Vous voyez Parce qu'ils savent que ça n'a rien de bon. Il n'y a pas un apport. Donc, allez vraiment, moi je crois que j'interpelle nos autorités il faut vraiment revoir la façon de faire. Essayer vraiment de voir la façon de faire afin qu'on puisse sauver un peu notre jeunesse et sauver aussi notre pays. Parce que tout le musulman sait le degré de la fornication. La fornication, quand elle est de trou dans un pays, elle attire la colère de subhanahu wa ta'ala. Elle attire beaucoup de maladies. Elle attire beaucoup de maux avec elle. Les conséquences sont énormes. Donc vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ceux qui aime et agrée, qu'Allah protège notre pays, qu'Allah protège notre progéniture, mais il y a vraiment matière à réfléchir sur, à ce qui concerne la pudeur. Donc avant, quand, on, quand tu éduques très bien ton enfant, tu sais à 80%, 90%, tu vas réussir. Mais aujourd'hui, même si tu enseignes à Livy à un certain âge, il y a les médias, il y a les programmes scolaires, il y a la rue, il y a beaucoup de facteurs qui concourent vraiment à, comment on appelle ça, à, déchaîner ce que, le tissage que tu as eu à faire pendant des années. Il faut vraiment que les parents accompagnent avec beaucoup d'invocation. Chers frères, chères sœurs, il ne faut pas chercher loin car tout tourne autour de l'éducation car la bonne éducation est un atout et la fondation de tout comportement. C'est ici que nous vous disons à la semaine prochaine, Charles.